Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net. Alfaïda, c'est la référence yéeno yéeno alfayda bég naa ci ñoom man suma ma yeewoo subaay alfayda lay déglooy ci déggin bu leerooy information yu leer gis-gis bu leerooy waaw waaw waaw alfayda 90 point 1 kii lay dégloo waaw moom mooy li may bégal alfayda c'est la référence alfayda FM rajo bi ci Salume, man de sopp naa leen bëgg naa leen ndaxte bëgg naa doom yi bari jom lool te nangoo liggéey fonk seen réew bëgg seen tund àndandoo al fayda doomi saalum mënuñoo dem te sen seeni réew mënuñoo dem te al fayda rajo xew jamono rajo bi xew ci réew mi rajo bi xew ci biir Saalum kontaan naa ci yéen. Alfayda c'est la référence. moo jiitu moo a moo jiitu moo jiitu rajo Alfayda moo jiitu. yaa jiitu yaa jiitu yaa jiitu yaa jiitu rajo Alfayda yaa jiitu. te waay fii ci

ñun ñëpp ay nit yi diine lañ ñëpp fonk diine waaye diine itam dafa am nu tëralee su demee ba nit ñi war a loru su boobaa am na ay oyofal yoo xam ne yàlla daganalal na ko jullit ñi pour ñu def ko te yonent bi wax nañu ko nañuy moytu itam sabab yëpp nañ ko topp ngir mucc comme tudd nañ set te set ci boppam ci diine ji la bokk ndax julli sax boo doon julli ji mënoo julli te jàppoo sa cër nga ko juróomi yoon tuuti tuuti mooy ne cet gi nga xam ne yonent bi digle na ne dana muusle nañ ko topp gel yi ñu wax ne itam ñu koy def ci loxo yi nañ koy def ci loxo yi joxante loxo bi itam su demee ba nekk lor rek ñu bàyyi ko moo gën ak xafu dara rey ni toujours bu ñu dajee ñaari lor suñ tasee bi gën a oyof la ñuy bàyyi bi gën a oyof mooy joxante loxo beneen lor bi bu ñëwee fitna la bu boo xam ne nit ki lu ne dana ko daj ay mbokkam danañ ko daj nguur gi danañ ko daj kon nag nañ seet bi gën a yomb mooy ñàkk joxante loxo te du tere ñu 12 heures à la grande mosquée de Medina Bay et ici à l'immeuble cher Imam Hassan Sissé de nous émettons la même heure à Léona Nyassène. Léona Kanen si Sanya, Bambara Touba et Yakao Sarafal. Alpha FM, la référence, vous l'aurez deviné à juste titre. C'est le Radio journal dont voici les titres. Kaulak, l'opérateur économique Baïsis annonce le recrutement de 500 jeunes dans le cadre de la première phase de ses projets à Kaulak, estimé à 10 milliards de francs CFA. En conférence de presse hier, vous l'entendrez dès le début de ce journal. Fléau persistant du vol de bétail avec ses lourdes conséquences chez les acteurs. L'Association nationale de lutte contre le phénomène dans une quête permanente de durcissement des peines plaide pour l'application de la loi votée dans ce sens lors d'une rencontre jeudi à Kaulak. Vous les entendrez également au courant de ce journal. Et puis, situation quotidienne du coronavirus au Sénégal, le communiqué du jour fait état de 67 nouveaux tests positifs, dont 39 issus de la transmission communautaire. Hier, vendredi, le pays a encore enregistré trois nouvelles pertes en vie humaines liées à la pandémie. Tels sont donc les titres de ce samedi à la technique pour de Sec Kenemé. La rubrique Prendre ensemble, autrement la page internationale, celle sportive, ce sera donc dans la deuxième partie. Restez avec nous. Tout de suite, le développement. Le journal Nefatou et je vous le disais tantôt, dans le cadre du démarrage de ces projets, ici ça fait face la presse hier pour lancer la plateforme de recrutement de 500 jeunes pour la première phase avec un budget estimé à 10 milliards de francs CFA, une rencontre qui a permis également à l'opérateur économique de lister ses différents projets. N'est-ce pas, cher Tidiane Sarr C'est du rêve à la réalité, les projets de BAI6 avec l'ouverture d'une plateforme pour recruter 500 jeunes by 6 Globalement, c'était juste pour lancer la plateforme de recrutement du de Plaza. On est à l'ère du digital. Hein. Je ne voudrais pas que pour 500 emplois directs, avoir à recevoir des centaines de milliers de demandes à Hard. Et nous avons, avec mes collaborateurs, créé une plateforme de recrutement qui s'appelle 6 Plaza Recrute, où tous les postulants pourront véritablement disposer de toutes les informations nécessaires qui pourraient leur permettre donc de s'inscrire en temps réel. Face à la presse, le président de Siscore liste les différents projets projet en cours estimé à 10 milliards de francs CFA pour la première phase. Vous savez que la ville de Medina la ville de Charles Islam développe dans le tourisme religieux. Donc, c'est vous dire que le tourisme religieux, il faut qu'on l'accompagne, la construction d'infrastructures touristiques qui puissent accueillir l'ensemble de ces populations qui viennent chaque année pour les gamons, pour les ziars, etc., etc. Et qu'on développe le tourisme national, on prie pour que Kaolack soit bientôt la destination touristique du Sénégal. Que les gens puissent venir rester le week-end, que les gens puissent amener les familles en vacances parce que nous aurons une plateforme au Pont Noiro où il y a All In, où nous aurons des aquaparks, des parcs pour les enfants, des salles de cinéma. Hein. Vous savez, dans le projet, il y a une salle de cinéma de 200 places, donc hôtel de 200 chambres, etc. Et qu'à l'arrivée, à la fin, on aura véritablement un petit Dubaï à Kaolack. Pour l'opérateur économique, le secteur privé a un rôle crucial à jouer pour l'employabilité des jeunes et selon lui, 6 était déjà sur cela pour accompagner le président Macky Sall. interlocuteur de niveau moyen on parle de développement de Kaolack qu'est-ce qu'on a fait pour Kaolack A rappeler que la plateforme est disponible sur 6plaza donc donc un pourvoyeur d'emploi pour une ville émergente. Émergente, cher Tidiane Sarr, euh, et nous sommes maintenant avec le coordonnateur du PRODAC, euh, responsable de l'APR dans le département de Nguinguinéo, qui parle des réalisations du programme des domaines agricoles communautaires dans la lutte contre le chômage des jeunes. Pas mal nous, que nous écoutons. Le président de la République a eu l'idée de me confier le programme des domaines agricoles communautaires, qui est un programme dont l'objectif est de lutter contre le chômage des jeunes et dont la mission principale et de favoriser la création d'emplois massifs en milieu rural à travers donc euh, les activités de production agricole, élevage, animal, etc. Donc voilà un peu ce que nous faisons, nous, au niveau de Prodac. Maintenant, tout le monde sait que quand je venais d'être nommé à la tête de Prodac, nous avons trouvé des problèmes, il faut le reconnaître, sur un objectif de création de 9 DAC en 2014. Quand je venais en 2019, on en était à un seul DAC fonctionnel, le DAC de CFA en l'occurrence. Si ce n'est peut-être euh, des difficultés à n'en plus finir, nous devrions faire face à notre arrivée. Mais grâce à Dieu, nous avons pu quand même faire beaucoup d'actions allant dans le sens de repositionner le programme des domaines agricoles communautaires dans l'échiquier institutionnel de la lutte contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, nous avons pu, grâce à l'accompagnement du président de la République, grâce au soutien constant de Madame le ministre de la Jeunesse, Madame Nene Fatoumata nous avons pu redémarrer le DAC de Kermomarsar qui aujourd'hui est sur le point d'être inauguré par le président de la République. Je rappelle que la construction de ce DAC a débuté en 2016 et s'était arrêtée depuis 2017. Maintenant, nous avons pu relancer ce DAC aujourd'hui, on en est à la phase donc de réception de ce DAC-là. Maintenant, au niveau de Kersambakan, on en parlait depuis 2015, mais c'est grâce à nos actions que qu'on a pu démarrer le DAC de Kersambakan qui aujourd'hui est à 80% dans la phase construction. À Sangalkam aussi, il y avait beaucoup de difficultés. Quand on arrivait, il n'y avait absolument rien là-bas, mais nous avons pu démarrer ce DAC malgré les difficultés. Et aujourd'hui, nous pensons que d'ici six mois, nous serons en mesure d'avoir trois autres DAC supplémentaires contre un seul DAC depuis presque 5 ans ou 6 ans de distance du programme de demande agricole communautaire. Si nous avons un autre programme, le programme avec la Banque islamique de développement qui est dotée d'un financement de 59 milliards déjà acquis depuis 2016, mais qui avait des problèmes de déploiement, des retards à n'en plus finir. Aujourd'hui, nous avons pu démarrer les études. Nous sommes dans la phase de finition des dossiers d'appel d'offres et nous espérons que d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, nous allons démarrer les travaux de ces DAGLA, notamment Boulel à Dodi, mais aussi à Fafakourou et à Nyombatou difficultés et euh, soutien du chef de l'État, projet de création d'un DAC à Kaulak pour lutter plus efficacement contre le chômage des jeunes en passant par le développement du secteur agricole. À ce propos, écoutons Pamalik Nour. Malgré toutes les difficultés, nous nous sommes concentrés sur le job. Nous avons eu le soutien constant du président de la République. Avec l'engagement de tout un chacun, nous avons pu solutionner le problème et nous pensons que, le product sous sera un vrai grenier de création de massif d'emplois et pour le bénéfice de tout le monde pour le bénéfice des jeunes du Sénégal et de toutes les régions du Sénégal. Effectivement, ça sera un DAC que nous rêvons tous de voir. Et moi, je pense qu'en tant que fils de Kaolack, je pense que la meilleure chose que je peux offrir aujourd'hui à la région de Kaolack, c'est de travailler à implanter un DAC ici dans la région. Mais vous savez, les DAC, c'est des financements très lourds. Un DAC, c'est 11 milliards, 12 milliards. C'est un financement structurant qui nécessite parfois la validation du chef de l'État. Mais nous sommes conscients que le président de la République a beaucoup d'affection pour Kaolack. Le président de la République est conscient que Kaolack doit se repositionner encore dans le cadre donc de la promotion de l'agriculture, mais aussi le chômage, en tout cas des jeunes, est endémique à Kaolack. Ça, nous sommes conscients que le président de la République est au courant de tout cela. Et nous pensons que, Inch'Allah, dans les perspectives qui vont venir dans le cadre de nouveaux financements que nous aurons, nous pensons que Kaolack aussi aura sa part et Inch'Allah, dague-là verra le jour. Mais ce qui est constant, ce qui est important aujourd'hui, c'est de redonner confiance aux populations, mais aussi aux autorités. Et je pense que nous sommes en train de s'y employer. Inch'Allah, moi, je pense que d'ici six mois, quand le président de la République verra concrètement les DAC de Kermo Marsar, de Sangalkam, il n'y aura aucune aucune difficulté à mettre à la disposition du programme de domaine agricole communautaire de financement nouveau et euh, qui vont peut-être permettre de réaliser les actes de Kaola. Moi, je suis un fils de la région et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je voudrais en profiter pour lancer un appel à toutes les autorités qui ont été investies d'une mission de service public et qui habitent à Kaolak de penser toujours à Ganganeo parce que vous savez, lors de la conférence territoriale, on l'a dit, Ganganeo est le parent pauvre de la région. Il faudrait que les gens se rappellent. Donc maintenant, ça vous fera effectivement plaisir que cette là soit à Ganganeo. Mais bon, on verra. Souvent, c'est des considérations d'ordre technique qu'il faudrait aussi intégré Mais nous pensons aujourd'hui que dans le cadre de l'aménagement territorial, Gengheneo euh, mérite d'avoir des financements supplémentaires, d'avoir des infrastructures structurantes supplémentaires et nous pensons que, Inch'Allah, peut-être si les conditions sont remplies, il n'y aura pas de problème qu'on puisse le mettre à Gengheneo. Mais que ce soit à Gengheneo, à Nior ou à Kaolek, l'essentiel qu'on puisse avoir un DAC dans la région de Kaolek et c'est ça qui nous fera plaisir. Malik Ndour, coordonnateur du PRODAC, installation jeudi à Kaolak du nouveau président de la Cogère départementale qui n'a pas tardé à afficher ses ambitions. Reportage signé Chertidian Diagne. Le nouveau président de la Convergence des jeunes républicains a été installé hier par les membres de la Cogère départementale de Kaolak en remplaçant Abdoulaye Diop, le président sortant. Bokar Gallo affiche ses ambitions. Cela me va droit au cœur et je je pense que le swap ne découle pas d'un hasard, compte tenu de certaines activités qu'on a eu à faire déjà et concevoir certain nombre de programmes qui pourraient quand même nous faire sortir de certaines difficultés. nous sommes au cœur du bassin arasidier et vous savez mieux que quiconque, nous sommes une région paysanne. Donc il nous faut mettre l'accent sur l'agriculture. Voilà, et sur ce, comme il a dit, il y a des projets qui commencent quand même à sortir de l'ombre, comme la grisonne Et nous avons aussi le directeur de l'horticulture qui est de la région, fait aussi une fierté dans cette région. Et dès à présent, il y a des forums qui se dessinent et je pense que ces forums feront l'objet d'incubation de certaines idées, de certaines programmations pour ensemble, au cœur de la diversité, que toute la jeunesse de Kaolack puisse se retrouver dans un cadre d'essence, de partenariat et d'entraide pour discuter de fond en comble des questions autour desquelles s'articulent et se tournent autour de notre développement. Lors de cette rencontre, le président de la Cogère départementale de Kaolack a sonné une alerte à l'endroit des autorités politiques de la région de Kaolak. La responsabilité incombe aux jeunes. Si les jeunes se laissent quand même manipuler de gauche à droite, donc, ils n'en tirent pas les ficelles. Ce sont ceux-là qui leur laissent faire, qui vont quand même en bénéficier. Donc, dès à présent, nous nous étions à l'écart, comme il l'a dit, hein, et nous avons bien observé, et peut-être c'est la chance que nous avons. Nous savons quand même comment les choses se passent. On s'y est préparé et nous n'allons pas accepter ce qui s'est passé comme étant une paralysie. En pensant concrètement, bien vrai qu'ils ont beaucoup fait, mais ils pourraient faire mieux s'il y avait cette union, cette concorde et cette solidarité. Concernant l'emploi des jeunes, le nouveau président de la cogère départementale de Kaulaka interpelle le chef de l'État à Ou les usines de la commune de Kaon. Félicitations et encouragements surtout à l'endroit de la nouvelle équipe de la cogère départementale. Posture euh, affichée par le coordonnateur sortant qui s'est réjoui du bon déroulement des travaux Abdoulaye Diop que nous écoutons toujours au micro de Chertidiane Diagne. En tant que responsable, frappé par la limite d'âge, je me suis dit qu'il est temps quand même de pousser vraiment nos frères et également essayer de leur donner l'occasion de montrer également ce qu'ils savent faire leur capacité intellectuelle, leur capacité de mobilisation, le savoir-faire. Et en tant que coordinateur sortant, je remercie l'équipe sortante, je félicite l'équipe sortante, mais j'encourage également mes frères qui viennent aujourd'hui porter le flambeau. Et je suis persuadé que le flambeau sera ici haut parce que je connais mon frère, je connais sa détermination, je connais vraiment la démarche avec laquelle il négocie avec les gens. Et également, au niveau de Kaolak, il y avait des blocages au niveau de la jeunesse, mais je je crois qu'il a l'expérience et épaulé par nos sages. Je crois que ce qui vient de se passer à Kaolack doit inspirer vraiment les autres cogères au niveau national parce que nous avons quand même réuni les 14 communes. Il n'y a pas de dégâts ni d'incidents. Nous avons fait tout pour élire vraiment notre nouveau coordinateur à la personne de M. Bokar, qui est un frère très dynamique qui habite le département, accompagné de ses sœurs et de ses frères. Donc je crois que comme nous avons toujours mouillé le maillot pour donner de très bons résultats au président et au parti et à la coalition, euh, je crois il est très normal aujourd'hui qu'il y ait vraiment une promotion des jeunes de Kaolack. Tout le monde doit s'inspirer de ce modèle de démocratie. Vraiment, nous avons quand même euh, imité le président de la République. Vous suivez, vous suivez le journal, le journal directeur du studio Alun Momar Alilo et je vous le disais tantôt dans les titres, l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail a mis en place jeudi dernier à Kaolak le comité euh, départemental de coordination afin fin d'harmoniser et de coordonner les activités des comités euh, communaux de vigilance, n'est-ce pas, Noa à Pour élargir sa base à travers le département de Kaolac l'Association nationale de lutte contre le vol de bétail au Sénégal a tenu le jeudi dernier son son assemblée générale constitutive du comité départemental de coordination des comités communaux de vigilance. Ibrahim Diassé, consultant de la dite association. Le vol de bétail, l'association nationale de lutte contre le vol de bétail s'est évertuée à mettre des structures sur place pour barrer la route aux fossoyeurs de notre économie. La mise sur pied des comités communaux de vigilance communaux, on s'attelle aujourd'hui avec les représentants, les coordonnateurs communaux à installés au niveau de Kaolack département. Occasion saisie par la structure de lister quelques difficultés liées au vote de bétail. C'est difficile à stabiliser, mais il y a un phénomène récurrent. Le phénomène, c'est la migration. On ne sait pas où il y a des spécificités à l'intérieur, mais aussi il y a des spécificités à l'extérieur. De ce fait, il est difficile à l'heure où nous émettons de parler d'un taux, mais ça varie entre les périodes, entre les zones, entre la pratique de l'élevage. L'association nationale de lutte contre le vote de bétail au Sénégal demande au chef de l'État de prendre des mesures pour stopper ce qu'elle considère comme une mafia organisée. Non, Biaï. Et puis chaque année, les éleveurs accusent des pertes estimées à des millions de francs CFA dues au vol de bétail. Ainsi, l'Association nationale de lutte contre le phénomène réclame l'application de la loi votée à cet effet. Écoutons à ce propos Ibrahim Diassé, les consultants de la dite association des pratiques qui sont traditionnelles. La migration des animaux de l'Est vers l'Ouest, du Nord, cela ne suit pas avec les réalités du milieu. C'était archaïque, c'était le temps passé, mais aujourd'hui, il nous faut moderniser, il nous faut s'arrimer aux nouvelles informations, aux nouvelles donnes qui permettront de résoudre ce problème lancinant qui s'est déroulé depuis notre naissance. Une loi, c'est une loi. Le meilleur juste, c'est celui qui sait interpréter un texte. Il faut savoir l'imprimer, mais pour interpréter ce texte-là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes récurrents qui n'ont pas étudié. La nature, le taux, la quantification du délit, tout ça, c'est important. Le juge aujourd'hui est lié, mais aussi, en tant que praticien du droit, il est obligé d'interpréter le texte pour venir à bout du fléau. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est même pas la sanction, mais c'est la communication, la sensibilisation, l'information. C'est ça ce travail que se bat nuit et jour notre association. C'est bien d'appliquer une loi, mais aussi ce qui est meilleur, c'est de nous accompagner de nous accompagner Ibrahim Diassé, consultant de l'Association nationale du vol de bétail à la rencontre de Kaulak euh, jeudi. C'était en présence euh, également du chef de service départemental de l'élevage de Kaulak qui a également parlé dans le sens de l'application de la loi votée pour lutter contre le fléau concernant le vol de bétail. Parce qu'on a déjà mis en place les comités communaux, mais il nous restait de mettre en place euh, le bureau départemental pour vraiment élire le coordonnateur départemental. C'est tout ce que le vol de bétail est un fléau vraiment qui est le secteur de l'élevage. Pour parler à d'éventuelles contraintes, il va falloir euh, dénoncer. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs favorisants qui augmentent euh, le vol de bétail. Donc il va falloir dénoncer les contrevenants, il va falloir les dénoncer. Il va falloir aussi collaborer avec l'ensemble des services techniques et les acteurs. Vraiment, si on travaille dans ce sens, on aura gain de cause. Le vol de bétail sera La loi a été vraiment votée au niveau de l'Assemblée, mais ce qui reste, c'est l'application de la loi. On lance aussi un appel aux autorités compétentes pour qu'ils nous aident à l'application de cette loi qui vraiment, s'il est appliqué, va freiner ce fléau qui est le level de bétail. Alpha FM faïda FM Coronavirus, le communiqué du jour a fait état de 67 nouveaux tests positifs, dont 39 issus de la transmission communautaire. Hier, vendredi, le pays a encore enregistré trois nouvelles pertes en vies humaines liées à la pandémie. Nous y reviendrons certainement dans nos toutes prochaines éditions. Et puis, lutte contre la pandémie à Vélingara, l'ONG Amref en tournée de sensibilisation. Remis des équipements des flacons de gel et des masques au district sanitaire de Velingara. À ce propos, écoutons l'assistante administrative Rakia Fall. En fait, on est venu pour une mission coup de poing, on dira, sur la COVID-19. Et on est venu pour, euh, premièrement, faire un appui en équipement pour les districts sanitaires de Kolda, Venigara et Medina Ensuite, on est venu également pour faire des formations avec des acteurs de communauté en santé. C'est ça, en fait, et c'est la mission. C'est juste toujours à bref et à Kolda depuis 2015, avec le projet CELEL Equisal et Capital Santé. Et maintenant, en ce moment, le projet qui est vraiment phare en ce moment, c'est le projet Olympus contre la COVID-19. Oui, en fait, en bref, c'est une ONG qui est dans la santé publique. Donc, nous travaillons avec la communauté. Nous venons en aide de la communauté, en fait, c'est ça. On a plus de districts. On est en collaboration avec les districts sanitaires, avec les 14 districts sanitaires d'ailleurs. Mais en ce moment, nous, nous sommes venus dans le sud pour cette... Vous suivez, vous suivez le journal, le journal. Sur les zones de la référence, le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar, la coopération pour le développement et l'amélioration des transports urbains et périurbains et l'association Climat Chance ont signé avant-hier jeudi une convention de partenariat. Une cérémonie de signature qui a eu lieu en présence du ministre Omar Gueye et de son collègue des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement. Monsieur le ministre, comme nous le savons, les changements climatiques constituent l'un des principaux défis du 21e siècle. Tous les continents sont concernés. Ces phénomènes qui ont pour nom cyclones, canicules, tempêtes, inondations, impactent directement nos villes et campagnes. Dans la répartition des secteurs qui contribuent de manière significative à l'émission du CO2, les transports occupent une part importante. Et dans cette part importante des transports, le transport routier occupe plus de deux tiers en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Au vu de ces considérations et compte tenu des fortes concentrations humaines dans nos villes, il s'avère indispensable de mettre en œuvre des politiques de transport répondant aux besoins des populations avec un système de mobilité efficace en énergie. En énergie, Omar Gueye, ministre des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, qui tenait ses propos jeudi à Dakar lors donc d'une cérémonie de signature relative à l'organisation de la semaine de la mobilité durable et du climat prévue à septembre prochain à Dakar. Occasion saisie pour se prononcer sur des questions telles que le transport et l'urbanisation, mais aussi du plan Sénégal émergent. Je parle du transport et de l'urbanisation. Deuxièmement, le transport multimodal en privilégiant les transports collectifs. Troisièmement, l'amélioration de l'efficacité des déplacements par une réglementation appropriée. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, la vision de son Excellence, monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, à travers la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. comme vous le savez, notre pays a un référentiel unique en matière de développement économique et social. C'est le plan Sénégal émergent avec ses axes. C'est ça qui rythme notre développement vers l'horizon 2035, horizon fixé par le président Macky Sall pour que notre atteigne l'émergence. Mais en plus de cela, le président Macky Sall a mis en œuvre les cinq initiatives majeures, les trois programmes phares et les cinq accès. Et enfin, nous sommes dans une période de pandémie et nous avons un programme d'action prioritaire ajusté et accéléré qui intègre la problématique du transport urbain qui devrait nécessairement tenir compte du plan national d'aménagement et de développement Territorial, le PNADT, notre pays aujourd'hui dispose d'un plan national d'aménagement et de développement de ses territoires. Et à ce niveau-là, la naissance de 11 métropoles, dont Dakar qui est une métropole internationale et 10 métropoles d'équilibre, participeront à décongestionner justement Dakar. Nous avons de gros problèmes à Dakar, 0,3% du territoire national qui concentre 25% de la population. C'est énorme, malgré tous les efforts qui sont en train d'être faits en matière de déplacement. En définitive, nous avons allé vers plus de résilience en adaptant les transports au changement climatique. Code de que Kenemé place donc maintenant à la rubrique Apprendre ensemble autrement qui démarre aujourd'hui. Un large focus consacré au stress. Et à ce propos, écoutons donc les éclairages de cher Ibrahim Bitey, psychologue conseiller en service au Centre académique de l'orientation de Kaulaka. Bon, dire que le stress est une maladie, bon, ce serait peut-être un peu présomptueux, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un aspect qui peut accélérer certaines maladies, parce que à cause du stress, certaines maladies peuvent développer chez la personne. Par exemple, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension ou même euh, l'ulcère également, parce qu'il y a des études récemment qui ont démontré que avec le stress, ces types de maladies-là peuvent s'accélérer et prendre un niveau vraiment euh, peut-être euh, un peu plus dangereux qu'on a l'habitude, par exemple, de vivre. Quoi. Donc, à ce niveau-là, bon, il est quand même à préciser que le stress donc peut exposer la personne à un danger quelconque par rapport à ces formes de maladie. -là. Bon, pour les symptômes, là on préfère peut-être parler de manifestations parce qu'il y a des manifestations quand même qui existent et qui démontrent que la personne est exposée ou bien elle est dans une situation stressante. Et là aussi, il faut préciser que ces manifestations-là peuvent diversifier selon les personnes parce que chacun vit son stress selon sa personne, selon son environnement et selon également beaucoup de choses. Mais malgré tout ça, il y a quand même certaines manifestations qui sont communes et pour lesquelles également on peut aborder par exemple. Et parmi ces manifestations, on peut calibrer ça sur plusieurs plans. D'abord sur le plan physique, la personne peut avoir des maux de tête, peut avoir également euh, une sorte de tension au niveau de la nuque, peut avoir des problèmes gastro-intestinaux, peut avoir également des difficultés de sommeil, peut avoir des problèmes pour dormir, peut avoir aussi une diminution d'appétit, diminution d'énergie, une sensation de la fatigue. Donc ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, sur le plan psychologique et émotionnel, là, on est plus un dans le domaine psychologique. Il y a des inquiétudes, par exemple, et une insécurité en lien avec, par exemple, un phénomène, quelque chose, un événement ou bien une situation qui se présente et on se sent pas en sécurité par rapport à cette situation-là. Il y a le sentiment également d'être dépassé par les événements, une sorte d'impuissance. On peut avoir aussi un discours intérieur qui ne reflète pas toujours la réalité dans laquelle donc nous vivons. On a souvent aussi une vision négative des choses ou des événements quotidiens. Il y a aussi une présence de sentiments de découragement, d'insécurité, de tristesse et de colère. Ces voleurs dont je vais vous parler, nous les engageons nous-mêmes pour qu'ils nous volent. Le premier de ces voleurs, c'est le smartphone, c'est la télévision et consorts. Alors le premier excès serait d'interdire tout ceci. L'autre excès serait de passer la majeure partie de son temps avec le smartphone, avec la télévision et encore une fois, je ne dis pas que cela est interdit, je dis qu'il ne faut pas passer la majeure partie de son temps devant ces plateformes, mais que le mois de Ramadan doit nous amener à une certaine introspection, à un certain rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième de ces voleurs, chers fidèles, c'est le sommeil. Certains s'arrangent pour dormir toute la journée et conséquemment pour jeûner pour ressentir la faim le moins possible, malheureusement. Ceux-là n'ont pas compris ce qu'est le jeûne. Nous jeûnons parce que c'est un pilier de l'islam et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de jeûner. Mais l'un des buts, c'est de ressentir sentir la faim et conséquemment physiquement de la comprendre et par la suite d'agir concrètement et par exemple, et c'est d'ailleurs le sens de Zakat ou le filtre à la fin du mois, une fois que j'ai compris cette faim, que je l'ai ressentie, je mets la main à la poche et j'aide le pauvre et j'essaie autant que faire se peut au cours de toute l'année de les aider. Le troisième voleur, cher fidèles, ce sont les marchés, les supermarchés, les hypermarchés, emplis de musulmans qui dévalisent les rayons. Et encore une fois, essayons d'être équilibrés. Il n'est pas question d'interdire aux musulmans de rompre leur jeûne correctement, il est question de leur dire rompons notre jeûne comme il se doit sans permettre à l'excès de voler notre récompense. Méfions-nous des voleurs du ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine nos cœurs, qu'Allah nous accorde la clairvoyance, qu'Allah nous accorde de vivre un mois de ramadan empli de spiritualité. Actualité internationale. International, elle porte à 12 heures, bientôt passé de 27 minutes temps universel. La signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a confirmé la réélection dès le premier tour du président Patrice Talon, précédemment annoncé par la Commission électorale elle a donné cinq jours à l'opposition pour euh, déposer un éventuel recours. En Côte d'Ivoire, un ancien chef de guerre de l'ouest du pays, Amadé Ouérémi, a été condamné à la prison à perpétuité pour des crimes contre l'humanité commis à Koué en 2011. Par ailleurs, la Cour d'assises de Paris a condamné à la prison à perpétuité Yuri Shushkin, un mercenaire belarusse, Patrice Houé et Ange Nyanduyé, deux officiers de l'armée de l'air ivoirienne, jugés en leur absence pour avoir perpétré en 2004 le bombardement qui avait tué neuf soldats français à Boaké en Côte d'Ivoire. Selon les autorités ivoiriennes, Ange Nyanduyé est décédé en 2016. Actualité internationale. Au Mali, les autorités de la transition dominées par les militaires ont fixé à février-mars 2022 les élections présidentielles et législatives au terme desquelles elles se sont engagées à rendre le pouvoir à des dirigeants civils. Actualité internationale. Toujours au Mali, selon la MINUSMA et une source diplomatique tchadienne, deux soldats d'un bataillon tchadien de la force conjointe du G5 Sahel, envoyés en février dans la zone des trois frontières aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ont été tués par une mine artisanale au passage de leur véhicule dans le centre du pays. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, un mort hier dans une nouvelle manifestation contre l'inaction de la MONUSCO face au massacre de civils dans la province du Nord Kivu. De nouveaux affrontements ont eu lieu à Palma dans le nord-est du Mozambique, trois semaines après une importante attaque djihadiste qui a fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés selon des sources militaires et sécuritaires. La représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Linda Thomas Greenfield, a appelé à un retrait immédiat des forces érythréennes d'Éthiopie. Selon l'ONU, elles ne sont pas parties du Tigré comme annoncé en mars. Après une réunion à huis clos du Conseil de sécurité sur le Tigré, réunion demandée par Washington, elle a dit Nous sommes horrifiés par les informations faisant état de viols et d'autres violences sexuelles d'une cruauté indescriptible qui continue de faire surface. Elle a réclamé aussi le départ du Tigré des forces régionales Amara, accusées également d'exactions. Les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer auront probablement besoin d'une troisième dose d'ici six mois à un an, puis sans doute euh, d'une injection chaque année, a affirmé Albert Boula, le PDG du géant pharmaceutique américain. Actualité internationale contre-attaque et main tendue, le président américain Joe Biden a annoncé jeudi une série de sanctions financières sévères contre la Russie et l'expulsion de dix diplomates russes, suscitant l'ire de Moscou. Mais il a aussi renouvelé sa proposition de sommet avec Vladimir Poutine pour engager la désescalade des tensions. Et voilà, c'est l'heure de lui dire bonjour, façon de l'accueillir à un studio. Moussa pour la page sportive. Bonjour Andai Fatou et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec du football. 13e journée nationale Une Olympique Congo reçoit AS Cameroun à Alassane Racing Dakar reçoit tout puissant Diamono. Demain, Rassioff reçoit Yego et Agel reçoit Avenir Baké. Walidan reçoit Cœur Foot ce soir à 17h. Etix reçoit US Rai. Olympique Zigajor reçoit Étoile Zutana à l'Institut Diata. AS Saloum reçoit Gazelle de Kédougou ici à Lamine 8e journée Ligue 1 match en retard. FC reçoit Dakar Sacré-Cœur. de Dakar reçoit Stade à Amadou Bari à 17h. Foot féminin avec 9 victoires consécutives. Gazelle de Bignona, 27 points. Leader de la poule A a accédé à la D1 féminine à une journée de la fin du championnat de D2. Le président Ousmane a souligne que son équipe va essayer de jouer les grands rôles la saison prochaine. En Europe, 33e journée Ligue 1 en France, Angers, Rennes, Marseille, Lorient, PSG, Saint-Etienne, c'est demain. Nîmes reçoit Strasbourg. 32e journée Premier League en Angleterre, Newcastle reçoit West Ham, Wolverhampton reçoit Sheffield United demain, Arsenal reçoit Fulham et Man United reçoit Burnley. Finale Coupe du Roi en Espagne, Atlético Bilbao FC Barcelone, c'est à partir de 19h30. 29e journée Bundesliga, Wolfsburg, Bayern Munich, à 13h30, Wolfsburg reçoit Armenia, Union Berlin reçoit Stuttgart, Fribourg reçoit Schalke 04, Monchiglaba reçoit Hertha Frankfurt. Bayern Leverkusen reçoit FC Cologne à 16h30. 31e journée calcio italien. Sampdoria Gênes reçoit Elas Verona. Croton urunisi c'est à 13h. Sassuolo Fiorentina à 16h. Cagliari Parme à 18h45. Retour au Sénégal pour parler du basket. Représentante du Sénégal à la Basketball Africa League prévue du 16 au 30 mai à Kigali. L'AS Douane quittera Dakar le 4 mai. Auparavant, l'équipe championne du Sénégal rentrera au regroupement interne pour peaufiner ses stratégies. Voilà NFC qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi de sur des programmes sur la 90.1. La revue de presse. De presse. L'Obs Pop Blast, le soleil sur le quotidien, Welf le matin. La revue de la presse euh, sénégalaise à ce matin depuis l'immeuble cher Imam Hassan Sissé dans la cité religieuse de Medina Bay. À présent donc avec euh, Chertidiane Sarre. Bonjour, les troublantes révélations de l'enquête sur l'affaire de la saisie de médicaments non autorisés à la vente au Sénégal, titre qui barre la une du journal Le Quotidien Libération. Selon le journal, l'entreprise au cœur de la saisie record de médicaments mène ses activités depuis le 1er janvier 2020. Elle a mené depuis lors ses activités illicites sans éveiller le moindre soupçon. En plus de certaines officines, elle fournissait aussi des hôpitaux et cliniques. La police a annoncé mercredi la saisie d'une importante quantité de médicaments à la Padoie. Dans cette affaire, la douane se lave les mains et mouille la direction de la pharmacie nationale d'approvisionnement, relève le quotidien Vox Populi dans un communiqué. La douane soutient que 90% de la marchandise est constituée de dispositifs médicaux, le reste étant composé pour l'essentiel de soluté glucosée, soit 585 cartons sur un total de 5993. La poursuite des investigations a relevé également que la société incrimée, en l'occurrence Daiko, est bien connue des services de la douane, mais aussi de la direction de la pharmacie et du médicament qui lui a délivré plusieurs autorisations d'importation de dispositifs dispositifs médicaux, assure le journal selon le communiqué toujours. Il s'y ajoute que la vérification des opérations commerciales de la dite société a révélé que sur les trois dernières années, elle a importé des dispositifs et consommables médicaux sous le couvert de 25 déclarations en douane. Il faut juste préciser qu'à l'état actuel de la réglementation, l'importation des matériels et dispositifs médicaux n'est en principe soumise à aucune autorisation préalable, contrairement aux médicaments. Restons toujours dans le domaine de la santé avec le quotidien national Le Soleil qui signale que le ministère de la Santé dément les supposés décès liés au vaccin anti-Covid-19. Le journal rapporte que le directeur de la prévention a rejeté en bloc l'information faisant état de trois patients décédés suite à l'administration de vaccins anti-Covid-19. Nous n'avons pas encore eu une seule personne décédée après la prise des vaccins sur Sinopharm ou AstraZeneca, a déclaré Docteur Momodou selon toujours Sousa après que des personnes sont décédées suite à des doses de vaccins contre la COVID-19 qu'elles ont reçues. Les résultats de l'enquête sont formels. Les conclusions de l'enquête parlent de mort naturelle. C'est en effet ce qu'a appris Sousa auprès du coordonnateur du programme élargi de vaccination. Les quotidiens se font écho également de la réaction de Ousmane Sonko à la décision des autorités de l'université Chante Diop de Dakar de fermer le campus et de dissoudre les amicales d'étudiants. Selon le journal Enquête, le leader du PASTEF s'oppose à la fermeture du campus social de l'UCAD et se penche sur les problèmes des étudiants qui, selon lui, subissent de nombreuses violences. Sonko pour fond le pouvoir, dit le journal Le Quotidien. Le Quotidien, Sonko accuse le régime, affiche à sa une l'info. Vox Pop signale pour sa part qu'à la suite d'une réunion de sauvetage entre le rectorat, le coude et les étudiants, le recteur va de nouveau saisir le conseil restreint pour la levée de la suspension des amicales et la poursuite des opérations de renouvellement de leur bureau. Autre actualité avec le journal Le Quotidien, Le Cordien qui revient sur la saisie des comptes de Sanelec. Akili court-circuité, le juge ordonne la main levée des comptes de Sanelec et condamne Akili au dépens. En sport pour terminer avec le Quotidien Sunulam Balagay 2, Boignan 2 ficelé hier. Gaston offre un gros au corps. Le Gaïde, il a déjà une tasse de fondée, il en boira une autre. Boignan nous Dara pour Gaston Meng. Le combat peut se tenir en janvier même 2022 pour Aziz Ndiaye. Ce combat, c'est le sommet. À vos kiosques et bonne lecture. Alpha FM 90.1 et à 12h, bientôt passé de 40 minutes à Nawel Sikhaï le long de la rue El Haji Abdoulaye Et ici, à l'immeuble cher Imam Hassan c'est de nous émettons un direct du studio à moment à Lilo. Voilà donc que c'est ici que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Kaolak, l'opérateur économique Baïsis annonce le recrutement de 500 jeunes dans le cadre de la première phase de ses projets à Kaolak estimé à 10 milliards de francs CFA. En conférence de presse hier, vous l'avez entendu dès le début de ce journal. Fléau persistant du vol de bétail avec ses lourdes conséquences chez les acteurs. L'Association nationale de lutte contre le phénomène dans une quête permanente de durcissement des peines plaide pour l'application de la loi votée dans ce sens lors d'une rencontre jeudi à Kaulak. Vous les avez entendus également au courant de ce journal. Et puis, situation quotidienne du coronavirus au Sénégal, le communiqué du jour fait état de 67 nouveaux tests positifs, dont 39 issus de la transmission communautaire. Hier, vendredi, le pays a encore enregistré trois nouvelles pertes en vie humaine liées à la pandémie. Tels étaient donc les titres de ce samedi à la technique Code Sec Kenemi. La rubrique euh, Apprendre ensemble, autrement la page internationale celle sportive, c'était donc dans la deuxième partie. Restez avec nous soupe à 13h. La rédaction vous retrouvera pour la version Wolof et ce sera avec Ndai Khadisadio. À toutes et à tous, merci encore de nous choisir. Bon après-midi, bon week-end et surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Le journal Nefatoussissé. Bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net.